nous continuons. Donc, pour vous rassurer, je suis toujours la même Aïsata. Rien dans ma tête n'a changé. Rien dans ma volonté n'a changé. Et Dieu merci, le président Macky Sall est respectueux de cela. Le président Macky Sall veut cela. Et quand vous l'entendez, parler aux organisations internationales, parler au FMI, parler à l'OCDE, parler à la Banque mondiale, revendiquer le droit des Africains à avoir leur juste part pour le financement de leur économie, vous saurez que le président Macky Sall est aussi un avocat comme moi je l'ai été dans le film Bamako. Alors toujours, honorable député Guy marie Sagna, je voudrais vous remercier pour l'intérêt que vous avez pour la diplomatie. Très souvent ici, vous me rappelez les principes de la diplomatie. Et je m'en félicite parce que nous voulons cela pour améliorer notre diplomatie. Le Premier ministre des Affaires étrangères du Sénégal, quand nous avons été indépendants, c'était aussi un avocat. Il s'appelait Doudou Tiam, Et en 1965, il a fait une intervention mémorable pour dire c'est quoi la diplomatie du Sénégal une diplomatie d'indépendance, une diplomatie de souveraineté, une diplomatie qui revendique notre identité de Sénégalais et d'Africains. Une diplomatie, c'est vrai, de bon voisinage, et je reviendrai sur le cas du Mali. Une diplomatie au service de la paix, et je pourrai y revenir. Une diplomatie au service des Sénégalais de l'extérieur, je pourrai y revenir. Une diplomatie, enfin, qui va travailler dans le sens du raffermissement des relations avec les peuples. Et le président Senghor a été le premier qui a défini cette ligne diplomatique que Maître Doudou Tcham mettait en œuvre. Après le président Senghor, il y a eu le président Abdou Diouf et nous avons continué. Après lui, il y a eu le président Abdoulaye Wade et nous avons continué. Après lui, il y a eu le président Macky Sall et nous continuons toujours. Et cette diplomatie, elle est saluée, elle est respectée, elle est comprise et elle est acceptée par tous. Et quand sur l'Ukraine, nous prenons une décision et une position, ça ne fait pas plaisir à nos partenaires, mais nous l'assumons et nous l'expliquons. Et aujourd'hui, dans le concert des nations. Il n'y a plus un seul pays qui vienne dire au Sénégal, est-ce que vous pouvez voter avec moi Non, parce que tout le monde sait que quand le Sénégal décide de voter, c'est lui-même qui a décidé de voter. Il ne vote pas pour faire plaisir à l'un, il ne vote pas pour mécontenter l'autre, il ne vote que parce que c'est sa ligne diplomatique et ce sont ses intérêts. Et le président Macky Sall dit, il dit à la tribune du sommet Union européenne-Union africaine. Le Sénégal veut des partenaires, mais des partenaires respectueux de sa souveraineté, respectueux de son indépendance, dans une égalité assumée. Et cela sans exclusion de qui que ce soit, sans exclusivité en faveur de qui que ce soit. Voilà ce que le président Macky Sall a défini et nous, nous sommes dans cette ligne pour le Mali. Le Sénégal n'a jamais eu d'embargo sur le Mali. C'est la CDAO qui a pris ces mesures-là. Si nous sommes membres de la CDAO et nous sommes membres de la CDAO, nous devons accepter. Et c'est vrai que nous avons été une des premières victimes de cet embargo. Mais le Sénégal et le Mali n'ont jamais eu de relations conflictuelles. La preuve, vous avez vu le président Macky Sall, il est parti au Mali, j'étais de sa délégation, il a parlé avec le colonel Koïta, il lui a donné les conseils qu'il pouvait lui donner. Le colonel Goïta a accepté en tant que jeune frère ces conseils. Par contre, il y a quelque chose qui n'est pas vrai et que je voudrais que vous m'aidez à démentir. Tout le monde a dit ici que Macky Sall voulait être un médiateur entre la France et le Mali. Ce n'est pas vrai. Le président Macky Sall n'a jamais dit qu'il est un médiateur entre la France et le Mali. Ça n'a jamais existé. C'est au contraire un journaliste de RFI qui est venu me poser une question à moi en me disant est-ce que vous ne pouvez pas offrir une médiation Je dis pourquoi pas Moi, je parle au ministre des Affaires étrangères du Mali, je parle à la ministre des Affaires étrangères de France, je peux bien voir avec les deux. Le lendemain, on a titré Macky Sall offre sa médiation. Macky Sall n'a jamais dit ça, il n'a jamais fait ça. Et ça, je voudrais vraiment que nous soyons, vous et moi, d'accord là-dessus c'était un fake news que tout le monde a cherché à exploiter. Cela dit, maintenant, le Mali est en train de revenir dans le giron de CDAO. Il a mis en place son agenda. Il reviendra à l'ordre constitutionnel. Et la CDAO est en train de suivre ça avec son médiateur et tout se passera bien. Pour la Casamance, nous y sommes, vous avez raison. Combien coûte le déminage Le déminage, c'est un secteur qui coûte excessivement cher. J'ai ici tous les chiffres. Et c'est vrai qu'avec nos partenaires euh, du Canada, des États-Unis, surtout de l'Union européenne, on nous a donné un budget de plus de 1 million d'euros et très bientôt, je dois aller en Casamance pour que nous puissions commencer le déminage. Mais le plus important, c'est le déminage humanitaire c'est de parler aux populations de Casamance, de les, de les éveiller à comment est-ce qu'on fait le déménage, d'avoir leur soutien, leur accord pour repeupler les villages, pour que chacun retrouve ses occupations euh, euh, de travail. Et nous y sommes, nous le ferons et nous continuerons ce travail. Je vais essayer d'aller très vite maintenant, si vous me le permettez. La question des visas. Nous avons pris bonne note de votre proposition de faire rembourser au pays qui a encaissé des frais exorbitants de visa une partie de ce qui a été payé si le visa n'est pas octroyé. Ça fait partie des questions que nous traiterons au séminaire gouvernemental qui s'ouvre demain euh, euh, à Paris. Le monde doit être multipolaire, je suis d'accord avec vous. Et le président Macky Sall développe le concept du Sud global. Le Sud global, c'est nous, les pays d'Amérique latine, tous ces pays qui doivent faire face à l'Occident global, parce que nous partageons les mêmes difficultés, parce que nous avons les mêmes préoccupations, parce que nous voulons avoir et nous devons avoir la même solution face à cela. Ibrahim Diop, honorable député Ibrahim Diop, que je ne vois pas ici. Ah, Ibrahim Diop. Ibrahim Diop, si vous me dites que je devais être avec le président Abdoulaye Wade, je vous dis certainement si vous me dites que je dois, euh, pourquoi je suis avec le président Macky Sall, je dis parce que pour moi, c'est là où je dois être. Parce que depuis 2012, je suis là. Vous savez, je ne sais pas quand vous avez dit oui, vous étiez membre du Front pour le départ de Macky Sall. Moi, je n'ai jamais été membre d'un Front pour le départ de Macky Sall. Jamais. Peut-être je suis arrivée à Paris, j'étais candidat à l'élection présidentielle à l'époque, je présentais mon programme, on a dû vous inviter et vous êtes venus mais moi je voudrais que ça soit clair parce que man nag li def dama assumer de ce que je sama affaire sax metti man defuma dara je ma donc pour le départ de Macky Sall man pour le départ de Macky Sall ce que je parce que comme sénégalais li may wax honorable du pour yow du pour man pour askan wi parce que comme dañuy wax ñu ñuy retransmettre en direct laaj na wax bi bu ñu nous ko ba ñëpp xam ba ñëpp xam man 2012 ci ñu fal Macky Sall la bok ba 2016 ma ngi won ci majorité Benno fait Yaakaar après lañ féwolo té lolu du won ci fait Macky Sall du won ci sama nous ba ñu 2019 aw ma ci lu may ragal bu fekkee amet Ahmed Aïdara honorable député Ahmed Aïdara nee na am na ñoo xam ni dañ maa bañ ndax Macky Sall am na ñu ma bëgg ndax Macky Sall man de bëgg naa ñëpp ndax Macky Sall ñi ma bëgg bëgg naa leen ndax Macky Sall ñi ma bañ sax bëgg naa leen ndax Macky Sall